mazaje da mata ƙanana da manya muna gai da kowa. bonsoir et bienvenue sur un nouveau numéro de tous à la fada votre émission consacrée à la jeunesse nigérienne cette semaine nous vous parlons de la jeunesse et de la participation en tant que couche active de la population dans le processus de développement du pays. Vous le saviez, le Niger est un pays où les jeunes sont les plus nombreux avec 50,2% en 2018. Eh, les garçons, 75%. Mais alors, qu'ils doivent être le moteur de ce pays, beaucoup de facteurs les bloquent pour jouer pleinement leur rôle en tant que fils de la nation. Mon infatigable binôme de toujours habit vous a parlé en première partie de l'environnement et du contexte dans lequel la participation des jeunes à la bonne marche du pays pourrait se faire, ainsi que des opportunités qui peuvent s'offrir à eux votre présentateur dit a.k.a. La Machine, vous pouvez m'appeler La Braise sur l'émission Tous à la Fada, va vous parler, lui, des obstacles, des freins qui peuvent démotiver ou empêcher les jeunes de jouer le rôle qui est le leur dans le cadre du développement du pays, mais aussi des pistes de réflexion pour sortir de cette problématique. L'implication effective des jeunes dans le processus de développement entrave et solutions tel sera notre thème du jour. Pour en parler, nous serons avec des invités 4-4, des leaders d'opinion. Tous à la VADA, c'est 35 minutes d'échange de musique et de chronique. Mr. Olivier, il sera sans doute de la partie pour nous parler de tout ce qui fait le buzz, l'actualité sur le faux et tout ce qui aussi euh, concerne la jeunesse nigérienne. Olivier, je te souhaite la bienvenue sur l'émission. Merci beaucoup. Tu pètes la, forme ou c'est la forme qui te pète Ah, les deux. Là, aujourd'hui, c'est la flamme. aujourd'hui, c'est la flamme. Alors, on <laughs> parle de quoi On parlera de quoi euh, dans un instant eh nous irons au Mali, on va se poser une grosse question. Qu'est-ce qui pousse les populations à se soulever Surtout, qu'est-ce qui pousse les jeunes à se soulever dans un État dit de droit ou bien un État démocratique Donc ça va enflammatiser. Avec la braise. Vous pouvez participer à l'émission à travers vos commentaires au 80 06 88 58 Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Si tout le monde est prêt, on va y aller décollage imminent. Avion gogo koi. Localisation géographique. Nous nous trouvons présentement eh, à la blouson de Niamey. Monsieur le directeur, je vous souhaite la bienvenue. Vous nous avez accueillis. Situez-moi la blouson, s'il vous plaît. La blouson de Niamey, euh, c'est trop sous le boulevard Tanimoun. Boulevard Tanimoun. Euh, voilà. Euh, donc, à côté de la gare ferroviaire. des terrains train au devoir. Exactement. Hippodrome. Hippodrome. Ouais. Vous avez certainement constaté que c'est un jeune. Dès qu'on dit jeune, il faut que je n'aime pas barme. Kouwa du kobo di chilo utundeja osema ekoise ukobe ukobe ukobe. Je suis donc avec aussi un autre euh, activiste, un autre jeune qui œuvre pour la paix. Mamadou Gado, c'est mon pote de tous les temps. Alors, Amico, je te souhaite la bienvenue sur l'émission. Tu pètes la forme, j'espère bien. Euh, je vais très bien. Ça va, le euh, pays va bien En tout cas, le, pays va très bien. Super. Oui, eh oui, le pays va très bien. Super puisque le pays va très bien, alors je pense que tu vas devoir passer le micro à Tambari Idrissa. Tambari, je te souhaite la bienvenue. Merci, merci Dandy. Tout se passe très bien, mon frère. Tout se passe bien dans l'ensemble, ça va. Alors nous vous souhaitons la bienvenue, Tambari. Merci Dandy pour l'invitation. Nous avons aussi une dame sur cette émission. Ce que femme veut, Dieu veut. Ce que Dieu veut, des fois, femme s'en fout. La femme est une créature sacrée. À chaque fois qu'on l'a sur l'émission, ben, on lui souhaite la bienvenue. Elle est issue de la côte gauche du l'homme, euh, près du cœur pour être aimée et sous le bras pour être protégée. je voyais tout à l'heure euh, mon ami en train de. Qu'est-ce qu'il te disait là sur l'émission Non, non, il me parlait de la structure en fait. De TPLR. TPLR. Alors mon ami, tu vas me parler de TPLR alors pour que nos amis d'Agadez, de Difa, d'Osso, Tawa, Tilaberi, Maradi, Zender, Niame, Kolo, Toro, Dissai puissent aussi avoir une idée de ce que tu viens à l'instant de dire à la meuf. Très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, monsieur Dorty. TPLR, c'est euh, quoi TPLR euh, Tous pour la République déjà. Tous pour la République. Monsieur le directeur général, puisque eh, tu nous as donc permis d'être ici à la Blue Zone, on parle de l'implication effective des jeunes dans le processus de développement euh, entrave et solutions. C'est notre thème du jour. Commençons très très fort l'émission avec euh, vous, monsieur Monsieur le directeur général, pourquoi les jeunes ont du mal à être associés dans les prises de décisions qui impactent sur le développement du pays ben, Je ne dirais pas que les jeunes ont du mal à être associés, mais plutôt parce que si les jeunes doivent... Qu'est-ce que vous allez dire alors Si les jeunes doivent attendre qu'on les associe, eh bien, ça n'arrivera jamais. Ils doivent surtout inviter les euh, jeunes. Les jeunes doivent, bien sûr, les jeunes doivent se battre. Ils doivent se battre pour se faire une place, surtout que nous sommes plus nombreux. Mais hmm. hara kare mani ha mani tunde me dima hausan keno balbela Bagaya, gayya bo labo irkul wannan me hmm. donc amanto imira invité donc Bordeno gutun dan hayara mais bien sûr on connaît le chemin hmm. pour s'impliquer pour arriver à ce niveau on sait quoi faire on doit se battre on doit s'engager on doit s'engager aujourd'hui parce que si on associe, qui doit associer C'est les, décisionnaires, les gouvernants. Mais tous ici euh, que nous sommes, nous pouvons aussi intégrer cette sphère. Donc il suffit qu'on se batte, qu'on s'organise et qu'on

gane kaldai imini ke gane nim kaagu fur labo sanira di kanda labo sanniwo din di hay kam mante nigu tunno mu fur ma hanse parce que irku labi ziyano nous avons les mêmes droits na fam nous avons aussi des devoirs na fam donc aga haguno di kanda labo sanni irum tunir mu furara et moi j'étais un, un ancien agent d'Areva donc j'étais dans le nord et j'ai constaté que tout le temps, il y a des ébullitions au niveau du Nord. À Gogazarga. À Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Et nous, en tant que jeunes, nous avons notre mot à dire par rapport à la sécurité du pays. Donc, on doit participer activement. Donc, ça, euh, en vérité, pour cet objectif qu'on a créé au JEP, irni ir jonai ir mkan labora parce que ir dire, ir diyangoga de la gono labo haikanit haikulkan nike kinim ta kul gati la kalkana ino kati labu arzaka wakir machardi gate nya fo da baba follon merci angan koy tamba ni sene micro anu son tambari oh, wala oh alors si les jeunes étaient au devant des choses aujourd'hui et que les prises de décision les plus importantes se faisaient avec eux quel serait le rapport dans le développement selon vous Tambari est-ce que Katibi ça serait vraiment vraiment génial si aujourd'hui on donne à la jeunesse cette place d'intégrer les sphères de prise de décision. Mhm. Parce que tout réside dans la décision, que ce soit le changement de l'environnement politique, économique, socio-culturel, c'est les décisions qu'il faut prendre. Et ces décisions, ils sont prises au niveau des instances. Si les jeunes intègrent ces instances, le changement peut venir. Mais comment les jeunes peuvent intégrer ces instances c'est là que je reviens à, ce que vient de dire le DG et Abdou. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre, Dondi. Il faut que les jeunes se battent pour intégrer ces instances à travers des, actions, à travers des initiatives et tout ce qui cadre dans le domaine du développement. Donc, battage, quoi. Battage. <laughs> D'accord. Tambari, mhm. puisque les jeunes doivent se battre, il y a des jeunes artistes aussi qui se battent de jour comme de nuit, comme des éléphants. Ouais. Et pour lutter contre la Covid-19. C'est une rubrique de l'émission Tous à la Fada. Covid-19, l'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Quand l'art sert une cause, l'artiste est noble. Artiste engagé contre la Covid-19, tu connais la devise et le plan. On reçoit régulièrement sur cette rubrique et sur l'émission tous à la FADA, des artistes qui de manière volontaire et pour la cause se donnent corps et âme pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 qui continue encore à sévir dans le monde et au Niger. Vous le savez, nous avons reçu de grands noms de la musique nigérienne sur cette émission et ça continue aujourd'hui avec une grande dame, une cantatrice au grand charisme. Elle office au sein d'un des plus grands groupes féminins du Niger. Vous vous rappelez certainement de cette formation, Soga qui a représenté vaillement les couleurs nationales lors des cinquièmes Jeux de la francophonie. Il y a de cela 20 ans, elle a chanté dans Tout à fait, elle continue toujours le combat. Elle est dans le social et vous savez aussi qu'elle défend une cause. Elle, elle défend la cause de la femme. Mata, ça vous dit certainement beaucoup de choses. mata ajiyar Allah suna da baiwa da yawa Allah ya ba su ba za su gazawa ba mata mu ne sutura dashi mu ne sutura a gida labile mai sirrin ɗaki duk da namiji in ya zama na ba auren nan kusan dai ya rage mata hasken ɗaki namijin da duk ya shigo ɗaki in ya tara doba matar shi C'est une leader vocale du groupe Soga j'ai nommé Aïchatou Dankwali elle est avec nous pour parler de son engagement en tant qu'artiste dans la lutte contre la Covid-19 bonjour la grande dame comment vous allez bonjour Dondi tout se passe très bien, j'espère ça va super alors si j'ai bonne mémoire dès le début de cette pandémie on vous a vu au sein d'un collectif d'artistes pour chanter Stop Coronavirus et eh, parlons eh, parlez-nous-en un tout petit peu oui, euh, on s'est rassemblés, c'est euh, des jeunes artistes avec lesquels on, se côtoie, on est pratiquement toujours ensemble. Donc euh, du coup, je leur ai dit, attendez, en tant qu'artiste, on peut amener notre pierre à l'édifice en sensibilisant. C'est vrai qu'on fait nos trucs sous contrat, on cherche de l'argent à travers nos chansons, mais cette fois-ci, il faut lutter contre le Covid, il faut aider la population. Nous le savons, le virus continue toujours à circuler encore et encore. Quelle initiative pensez-vous mettre en œuvre actuellement en tant qu'artiste pour continuer le combat En tant qu'artiste, moi, je, je, m'engagerai à donner toujours le bon, le bon exemple. Euh, alors, dites-moi, eh, vous avez mhm. certainement un mot. Euh, ok, une dernière question. En fait, euh, le traditionnel mot de fin. Ok, d'accord. Un message fort à passer à l'endroit de nos populations euh, pour se protéger contre la COVID-19. Un mot à passer à l'endroit, bien évidemment, de ces jeunes qui pensent qu'ils sont invincibles, fait. oui, un message, c'est que le, la COVID-19 continue à faire des ravages. Il faut que nous y croyons. Si jusqu'à présent Dieu nous a protégés, alors mettons mettons aussi de notre volonté pour qu'on puisse lutter à jamais contre la COVID-19. Respectons ce qu'on nous dit pour lutter à jamais contre la Covid et contre beaucoup de choses. Boutons la Covid hors du Niger. Alors pour cela, on a besoin euh, d'une petite prestation de l'artiste parce que l'émission aussi, c'est un peu d'ambiance, c'est un peu de show. Alors qu'est-ce que vous allez me choisir euh, Qu'est-ce que vous allez Une chanson de Soga, une chanson de Echatou, euh, quelque chose pour faire plaisir à tous qui kiffent cette émission sur le plan national et même international. Euh, là, je ne quitterai pas sans, sans, sans mon éternel soutien à nos FDS. Nos forces de défense et de sécurité. Je le ferai avec plaisir. On y va, il n'y a pas de souci. J'aime bien cette chanson en fait. Et moi, je sais que je vais t'accompagner. On va le faire. On va faire le show ensemble. À toutes les forces de défense et de sécurité qui kiffent cette émission, voici pour vous Soga des fans de l'artiste Aïchatou et aussi de Nana et de Aja. En même mot, Soga. Soldat républicain. Soldat des fans issus de la nation, probe militaire, quand tu défends la mère patrie, tu ne recules pas devant le danger. Ton sacrifice est ancré en toi pour toujours, sage militaire. Aïe, Alborei respectons les gestes on C'était la rubrique L'artiste s'exprime Covid-19 sur l'émission Tous ceux à la Fada. L'implication effective des jeunes dans le processus de développement. Entrave et solutions, c'est notre thème du jour pour ceux qui vient de nous prendre en cours. Alors, nous sommes aussi avec des dames sur l'émission, je l'avais annoncé à l'instant T. La première, c'est bien évidemment Amadou Saleh Nafissatou. Elle est blogueuse et étudiante. Étudiante à l'université Université en médecine. de Donc, euh, en médecine. Donc, faculté de santé. Nafissatou. Toi, c'est mes Nafissa. Oui, Dondi. Bani, toi, c'est Nafissa. Aïe, go Tunisi, aïe, go Tunisi. Nafissatou. Je me rappelle un temps, on disait que les jeunes étaient insouciants et autres qualificatifs pour justifier le fait quand ils ne sont pas encore mûrs pour s'engager ou participer dans la prise des décisions qui peuvent changer positivement le visage du pays. Son to sanayin mai fono ara ngin kan borai man faham no wodi so nan ga jeng fa mai no kanda jeng fa mai mo deno kanda premier gar mondial herm ko <laughs> jeng fa mai yang <laughs> to son borai go fam to son jone go fam ka akamata ngam furo mouvement wora eh, mouvement wora ne doa mm. akamata furo mouvement wora ngi mbuda wodi humbur ko mayen wodi en couleur gi kayar bonga da bayan kulu e ko te cirum ko edgina amma fo kyo imi di borai si mu koy ni jone dim mu di koy ni ne yaran se bore o ni chale ni ma kici ne ben wane ay ma ngo bo kuno se ba mi dinge singe de no zurgu furba to a a borgu zurgu furu amma ku bayim borgu ba ku bayya ni ku furu ko aha ni ku bayim batumu donc euh, mai de ko shi shi ya ce da doci watan wata ransa ya hau abu nai to son bai fo nai banga ay go gunu gune ne go gay gune ne mi mi karano ni chalasi ngumu amkesi matani ginengese parce que ngo elle s'est auto invitée akadi abisdena dirane ngo kadeng meder sanora matgam haja matno ginense Rachida tu vas bien Rachida Rachida aujourd'hui nous sommes dans l'ère du numérique et de la technologie et on sait que ça parle aux jeunes et peut-être moins aux plus anciens lors de la jeunesse on peut dire que est-ce que ina sone est ce que a toaron turo ga irgin giciyadi walmo aran gu gorde gu botu jirindi jiray to il faut no aran gitte aran jeune yim sambu jeune côté woy boray il faut no il faut no aran gi il faut no goga tafar il faut no goga nan eh, eh, kan kalir ton cine aran gu gorgu botu karson no aran to aran turo ga il faut no na aran bloquer <laughs> ay kan ne blo kek bagu mumi to il faut défendre mi si terme comme her mama ton affaire gimanda il y a l'aspect religieux mm -hmm. et aussi l'aspect social ok soyir er ma hay ka cara irin er sambu aspect religieux kan ne il faut no religion o go te kan aran kan ganan aran siga kondre labo da jina <laughs> bon religion o dai exposé droit exposé donc à mais maintenant je pense que les gens ont vraiment compris les femmes ont compris aussi elles ont vraiment cerné la thématique qu'il faut vraiment essayer de se battre, d'entreprendre pour apporter une, touche positive au développement durable du pays. Waouh Donc, aspect social, il faut en wala gara agara TPLR, tous pour la République, sont da déjeuner, ils coulent, tous pour la République, sont sans nos tonga, aïe dini bon zinji, nigoche zinji, nigo ga chaha nem sambu. On kundir sa mou misali ga chora. Abdou Maman, Ibrahim dir sambu décision politique ol parti politique kɛra babizene deyino go ira ay donogin na sirbo du sambe mission go bomane babizene échoué donc aran jeune wo il faut deino goga aran bloqué il faut se deyino halga kason dine politique arangana jeune wo iro rester politique irmanto jina il faut no goga wone bon alors il y a deux euh, euh, pour moi, il y, a deux causes que je viens d'énumérer tout de suite. Mhm. Il y a le fait que les jeunes attendent encore. Ils ont fondé un faux espoir sur euh, la possibilité qu'ils se fassent aider par cette classe politique en place qui a maintenu un système défaillant un système insuffisant des indépendances à aujourd'hui. Nous avons 60 ans. Monsieur Bodo avait donc raison de dire que Boré c'était... mais c'était. D'accord. 60 ans banda, hmm. il faut nous quand aran waran jeune aran digue batu. 60 ans aran manga haikulte, il faut nous goga, il faut nous goga tafar. Euh, vous savez, c'est un processus. Ils ont su trouver euh, les, euh, les stratégies mhm. pour euh, maintenir la jeunesse dans l'obscurantisme. En disant, jeunesse jeune kanguirsi mm. on a l'impression que combat mboka mbore gote nge mfur siasa ko poste de décision yan rag décision en sambu parce que dum to dinir du har ka sin gbar mai mm. mat kul kan aran kadaran volontaire ng bar goy mai faut changer igaran bloqué donc il faut que jeune mfur donc jeune o ite zangange o wodin siguna e wodin mo euh, bere jangeno kanda quoi euh, c'est le problème de l'éducation, c'est le problème de, la formation, de la sensibilisation. Ils sont juste euh, un peu égoïstes, ils ont besoin d'être euh, davantage formés. rejoindre Irm Bandi pour relever ces personnes-là a priori et, défaillantes. Euh, bien sûr, un jeune sans formation politique est aussi un criminel en puissance parce qu'il dit euh, Facebook. Mm-hmm. Mais l'avenir appartient ou l'avenir de ce pays repose sur les épaules en question de ces jeunes. amis, Kanga. Zamir Fokir Mukoiga Hangan Musique la Kalemu

il faut il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse Écoute, tu veux te dire pourquoi il y a tant de flux de cerveau. Trop c'est trop, il faut qu'on se bouille la fesse. Primo, trop de promesses, nos tentes n'importe le vent. Secondo, rien à faire pour que le choses ait de l'avant. Tertio, trop de censures insensées au nom des cultes mourants. Trop c'est trop, Il y a vraiment de quoi fuir, loin, très loin, sans oublier n'importe son cerveau. Quand le grand-père se camponne à son bureau, il devient tout simplement un bourreau. Pour les jeunes nouveaux plombier en quête de boulot. À l'instant, c'était la formation Kaiden Gaskia. C'était Matassa euh, sous l'émission Tous à la FADA, pour ceux qui vient de nous prendre en cours, vous pouvez participer sur cette émission en vous abonnant à notre fil WhatsApp 80 06 88 54. ben, c'est le code. Nous discutons sur le thème l'implication des jeunes dans le processus de développement, entrave et solution Nous sommes à la blouson donc de Niamey. Monsieur le directeur général, vous voulez intervenir tout à l'heure par rapport à ce que les jeunes viennent de dire. Donc on vous laisse intervenir après la pause musicale. Oui, en fait, je, euh, il faut tafar. Il faut nous Donc en fait, moi je dirais le problème euh, se pose à plusieurs niveaux. le premier, hmm. c'est que c'est un problème comme je l'ai dit au début de formation, d'éducation. Voilà, revenons un peu en arrière. Dans les années 90, vous voyez, les, s'il vous plaît, Issouf Mahamadou, Maman Ousmane Mahamadou, ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes. Mais si ils ont juste eu de l'audace, ils ont osé, ce qui manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Mais aussi, s'ils ils avaient osé, c'est parce que l'environnement était propice. Il y a eu ce que tous euh, nous savons, vous voyez, des, des, des, des revendications, des, marches populaires donc, euh, qui ont abouti à la conférence nationale, qui est venue asseoir un climat propice à l'émergence des jeunes. Et eux, s'ils ont osé aussi, c'est parce que eux, ils ont bénéficié d'un système de formation performant. Ils ont été bien formés. Donc c'est tout ça là qui manque aujourd'hui. C'est ça le principal obstacle. La jeunesse doit être formée et aussi la jeunesse doit se battre pour créer cet environnement là propice. Donc manque de formation, on bloqué. Merci monsieur le directeur général, Nasser, c'est son nom. Alors, non, moi je l'appelle Nasser sur l'émission. On est jeunes, TPLR, tous pour la République. Dondi, Bientôt des échéances électorales au Niger. Et on le sait, le développement de nos pays est d'abord défini par euh, le politique. Pensez-vous que pour changer les choses, les jeunes doivent s'engager politiquement Si oui, comment Nécessairement, absolument. Comment euh, alors Comment, euh, Il faut, il faut, euh, il faut accepter de se lancer de plein pied en politique. Mhm. Vraiment, moi, c'est que c'est l'appel que j'ai lancé à toute la jeunesse. Mhm c'est très important. Les jeunes, nous sommes capables, nous avons du potentiel. vous n'êtes pas mature. Ah non, non, non, ça c'est une façon de nous infantiliser, c'est une façon de nous dissuader, de nous bloquer aussi. Voilà, d'entreprendre. Sinon, euh, à travers le monde, on a des jeunes qui euh, sont des leaders à un plus haut niveau. On a des premiers ministres d'une trentaine d'années, des, présidents euh, des républiques. Et, bien, pourquoi pas au Niger C'est bien possible, nous sommes des étudiants on a hérité d'une bonne formation, plus ou moins. Alors, plus ou moins. Hein? Et euh, je pense qu'on a, on, peut prétendre à cela, on peut oser vouloir euh, aller en politique. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte <laughs> ne mérite pas qu'on ah s'apitoie sur Ne mérite pas qu'on s'apitoie. Il a toujours assuré, il a marqué l'histoire de ce continent noir. Mamad les jeunes doivent s'engager politiquement. D'une à c'est pourquoi D'une O c'est comment D'abord, euh, je voudrais un peu revenir sur euh, la question que... qui a été posée à, à mon ami. Oui, c'est Abdou, euh, Abdou Maman Ibrahim. Abdou Maman Ibrahim. Tous pour la République. Tous pour, effectivement, tous pour la République. Enfin, et Dondi, on connaît, mm. on peut tout faire. Il suffit de croire à ce que nous faisons on peut tout faire un avion wala asinda ankir avion bo borday <laughs> en tant que jeunes nous avons hmm. la conviction le seul problème que nous avons c'est qui nous bloque vraiment c'est une euh, comment on appelle ça une manque de socialisation les les aînés qui dirigent ce pays là dans les années et 70, ils étaient tous aux affaires. Mhm. Soit la personne était à l'université, bénéficiait d'une bonne, très bonne formation, ou bien la personne était déjà aux affaires. Ok. Donc ces gens-là, ils ont compris l'administration, ils ont compris comment ça marche. Maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, ils nous ont pris en otage, ils mm. nous font croire mm. que non on ne peut rien faire, même euh, euh, par exemple en service. au service vous, investissez ce Nous, nous sommes en train de le faire. Ah. Donc dis-moi, je, te, je te parle en connaissance de cause. Oh, uh-huh. J'ai fait mon service civique. À, mon service, mon DG me dit non, ce n'est pas la peine à MK ». Je dis non, je voudrais participer aux missions. Il me dit non, il y a des frais de mission qui sont dédiés pour ça. J'ai dit non, je vais enlever dans ma poche pour aller apprendre. Juste pour aller voir. Juste pour aller apprendre. Donc, je, je, tu n'as pas fait ce café. Hmm. Donc, ah, aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes maîtres de notre dessin. Hmm. Ce n'est pas à quelqu'un de décider pour nous nous pourrions bel et bien changer les choses. Est-ce que Parce que Ayo, ayo, ayo, ayo, je vais dire que c'est de la politique de terreur qui va faire en sorte que de faire peur à la jeunesse. Faire peur comment faire peur à la jeunesse de dire qu'ils sont incapables, incompétents de diriger, même si on les laisse venir. L'actualité récente au Mali est suivie par une grande partie de la population africaine et nigérienne en particulier. Sur les réseaux sociaux, les internautes se posent beaucoup de questions. Parmi les plus récurrentes, on a que va devenir le Mali que peut faire la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest Beaucoup de questions qui se posent et les réponses n'en donnent, personne n'en donne. Il n'y a que des hypothèses, je vous rassure. Eh bien, je me suis donné la charge de faire un tour sur les réseaux sociaux pour écouter les réponses à certaines de ces questions. Au Mali, on parle d'un coup d'État, mais qui en sont les acteurs Dans un article publié par le quotidien BBC, il s'agit des officiers suivants. Le colonel Malik Diao, 25 ans, il est le chef adjoint au camp militaire de Kati où la mitunerie a commencé. Le colonel Sadio Kamara, 41 ans, il est l'ancien directeur de l'Académie militaire de Kati, diplômé de l'Académie militaire de Koulikoro, avec mention très bien. Et enfin, le général Cheikh Fanta Madi Dembélé, directeur général de l'institution de maintien de la paix, à lyon Blondin, Bay. Outre ces questions sur les profits des poutistes, la seconde question, la question sur laquelle nous allons beaucoup plus nous appesantir ce soir, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui pousse les populations à se soulever Trop de pouvoir tu le pouvoir et permis. Les réponses données sur les réseaux sociaux, celle de la page Niger Stop Corruption a retenu notre attention. Et bon, j'aimerais bien la partager avec vous, chers auditeurs et amis de Tous à Selon cette page, les raisons qui poussent les populations à se soulever sont la pauvreté à grande échelle de la population et les inégalités qui s'agrandissent, la corruption généralisée de la bureaucratie, le mépris de la dignité humaine, le manque de confiance de la population à sa justice. Et à toutes ces raisons citées, vous pouviez aussi ajouter ce que vous pensez, mais nécessité de le rappeler, la paix n'a pas de prix et une population bah, sans paix est une population sans avenir. Tout en priant que la paix et la situation soient vraiment au calme au Mali, je vous souhaite bonne soirée. C'est la fin de cette chronique. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. On se dit à la semaine prochaine et surtout avec d'autres informations. Et comme je le dirai toujours, une population affamée est une population à venir risquer. D'ici là, portez-vous bien. À l'instant, c'est donc Mr. Olivier, ladies and gentlemen. Alors, euh, merci. Hein. Sans peine, nous ne serons pas aussi à la Blue Zone euh, pour donc parler de l'émission Tous à la Fada. Nous sommes à l'avant et qui dit fin, chacun place tout ce qu'il a au fond de ses tripes aran tripena igbaram cabayse neo émission bon dg nenerg sintinda sanni kulkan goni se pour donc euh, euh, faire avancer ce pays day kulkan de perspective day kulkan no borgi hinde ge mel kan ge konda la bodu jin kam fun jene do ngorg ba dg nasser ousmane jibo oui. en fait, ce que je dirais, moi, vous savez, euh, on, a, on a fait le tour, mais vous savez, la jeunesse, aujourd'hui, le plus urgent, c'est que la jeunesse s'engage. Il faut qu'elle s'engage qu'elle s'engage, que ce soit politiquement ou bien dans les associations. Vous savez, on n'est pas, euh, pas forcément dit qu'il faudrait euh, faire de la politique politicienne euh, pour être utile à son pays. on, peut militer autrement, mais le plus important, c'est l'engagement. la jeunesse doit s'engager. Donc nous, il faut nous comme en tant que jeune. en tant que jeune, aiki ne se aigi kan da aigin da guton tonton da je wani aga to ku irma mani se eh, bisbillahi hun kuna furta jai hay kunno mu hay kunno man jangi se parce que matokini ne eh, gurjai bato iri nana go bato irin mu furara donc ne mu furu im gurjate mat ga hagunda im gurjate matkaga hagunda iminga inange ceci parce que na ino go inga no irgi irga tamaha ha kan irga nga jay irgi inga fahamda im fahamdir masala kay tambari nima ka mamor abga doni car no il faut gene pour que la bore dire que les jeunes devront s'engager les jeunes sont même en train de s'engager d'accord engagement, kokari, accompagnement. Eh oui, manafisat. No, il faut dénir maramte pour que je n'aime Niger hmm, ah, ah, la Bukatibi. To, gi wana gani kichi engagement ngo gara, amma ko ni cherdi. Chardi. Zama kan baga dan kyar kan baraner koy digena. Ajano ifono digena. Ifono kwanda la digena. Bon, je suis d'avis aussi avec eux. Mm -hmm nos jeunes hmm. Il faut aussi qu'on essaie de prendre part à toutes les décisions qui touchent à notre vie actuelle et aussi à notre avenir. Euh, alors moi je voudrais dire que je voudrais attirer l'attention de la jeunesse lui dire que la locomotive est déjà en marche nous devons être patients, nous devons prendre notre courage à deux mains et euh, nous investir en politique. C'est la seule solution. Neno machino. Oh. Ngande bore gene aranse iban. Kalde hino oh. satono adir kande ni muro fokuto nandarno. Misali ga tout fada. Neno regene point.